diko ñaanal yalla yok ko ndax depuis départ dañu yàgg and nak mak mom ma xam ko lool nak bo même doon na sax même bokkuñ parti dama koy sant gërem ko ndax limu ko xamé won nit ba tay ni mu am it waniwut boppam ne dama reuy ba tay dafa oyof kon nak sant ko gërem ko ñaanal ko limu am yalla nako yalla yok ci daraja muhammad lool la koy ñaanal. chaque année nak c'est comme ça toujours chaque année c'est comme ça fatou fàttewuñu suba mo ngoon ak ba cëg mu ñuy gestu vraiment ñun tam liñ koy delloo ñukal yalla nak fi yalla yàggal suñu kanam. aux côtés de la ministre Ndei Sali qui était également de passage dans la localité de Linger et qui en a profité pour venir assister à cette finale. Ndei Sali au aux côtés euh, du ministre de l'Intérieur, mais également euh, maire de Linger, Ali euh, Ngouingaï de Kono, en bleu, sur vêtement bleu-blanc wa le euh, Tandem ñoo en survêtement rouge et jaune donc euh que euh, euh, prestige le tournoi de prestige donc coup d'envoi bi dem match bi entre Tandem avec équipe bi di cono voilà sorti en touche comme nous avons ko match bi Amoul amul benn amul ben round d'observation de tambalé rek ñaari équipe dem voilà attaque euh, placée pour Watandem. voilà passe dans la profondeur euh, va-t-il pouvoir récupérer le ballon contrôle il enchaîne le ballon qui est capté par le gardien Ngendi, c'est seetaan finale en direct sur Dakaractu TV pour l'instant le jeu est un peu brouillon voilà, les, deux condos, euh, récupéré le nono. Attention, il perce euh, dans la lance. Et c'est le premier but, ouverture du score. Ouverture du score de la part de l'ASC de Kono. Cette perte de balle, comme vous le voyez à l'image, les euh, attaquants de l'ASC de Kono ont brillamment conclu cette action. Regardez comment ils se débarrassent du défenseur euh, pour euh, frapper euh, au niveau de l'angle opposé et tromper complètement le gardien qui reste cloué. Dommage, incendie. Tout frappe baa ngay attention golbi mon pour a jàpp bal bi bàyyiwaat ko gars yi bàyyeeguñu ay sa continuer pression Gaï donc Gaï Attention, attention Attention Le gardien qui joue avec le feu Le gardien de, Kondo qui joue avec le feu pour négocier pour le donc euh, match bi c'est fini ici euh, à Linger. l'ASC de Kondo euh, remporte la finale de la Coupe du Maire 2019 devant l'ASC Tandem. 24, de la Coupe du Maire édition 2019, je vais remettre, remettre les maires de Linger et de Bara au capitaine de l'AIC de Kono. Voilà. Merci. Merci, monsieur le maire.